Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Les gagnants, c'est pas ceux qui ne sont jamais tombés c'est ceux qui ont su se relever après la chute. Faire de la musique n'est pas chose facile au Niger. Et pour la prospérité de cette musique, une rubrique spéciale qui fait la promotion de l'art et de ceux qui le pratiquent. Vous êtes sur tous à la Fada. Cette émission est consacrée à la jeunesse nigérienne. Vous êtes sur L'artiste s'exprime, une rubrique sur laquelle les artistes s'expriment. Aujourd'hui, c'est-à-dire sur ce numéro, nous allons recevoir dans un instant un talent. Un talent pur. Il a le rap dans le sang. Quand il rappe, tu le sens. Il fait pas du sale. Ay, wasa Elsa. su sai da mu saboda 'yan canji lokacin da muke bukatar canji sun ba ku kuɗi su ai muke zaben ba ku ba ke talaka mana da rana an saye imani an ba ku dala kenan mu dan homa cikin wahala iranin ga petrol amma a banza babu tsaro yaya za mu yin kwana huta ma ga tanan sai mun yi haya demokrasi ko mulkin mallaka artist ko rompi shiru an yi 'yan kasa vous le savez déjà un vrai combat est la voix d'un peuple aspirant à la liberté plus puissante que la force des armes c'est vrai qu'à travers leur œuvre ils dénoncent un certain nombre de choses mais ils nous font aussi bouger nous avons donc avec nous le number one Lambadaya. <laughs> Eh, Elsa. Yeah, Donc, la machine te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, le big. Merci, le grand. Je suis là, bien... Tranquille, bien Toujours toujours comme on le dit, frère. Ouais. Ah, vas-y. <laughs> Ah, tu peux tourner un tout petit peu pour qu'on puisse très bien toi voir. Va bien. Eh, tu peux me montrer, c'est quoi la map déjà ici Ouais. Là, là, c'est. Ça, c'est du Versace, c'est du vrai Versace. Voilà, c'est pas du Camelot. Ouais. Tranquille. Yes! <laughs> ouais. Vous avez certainement compris, l'artiste c'est un peu du tout. Hey, eh, il blague pas avec le style, le mec. Trop stylé, tout le temps. Ok, d'accord, avec la veste croisée. Alors, Elsa, aujourd'hui, on va parler de toi. Dans un premier angle, on va parler et bien évidemment de Elsa. Elsa, qui se cache derrière Elsa C'est important pour permettre à la jeunesse nigérienne qui nous kiffe de bien te cerner, de bien comprendre. Hein. Bien évidemment, un certain nombre de choses. Ouais. Ok, ici Elsa, question nigga, c'est cette look, Mbappé du rap nigérian descendant de la famille dit l'empereur de ce monde d'info et qui est le pro. Soyez béni. <laughs> voilà. La présentation, même si elle n'a pas une fait du dur, je vous l'avais dit. Eh. vous allez avoir du lourd aujourd'hui sur cette émission. Claire, je, claire, le claire. Alsa, on va parler de tes débuts. On va parler de quand est-ce que tu as commencé la musique. On va parler de ton genre musical. Parlons de tes débuts, Alsa. Oui, comme on le dit, tout début n'est pas facile. Tout début n'est pas facile. Mais quand est-ce que tu as même débuté au fait C'est ça que je voudrais savoir sur cette émission. Les gens ont envie de savoir. <laughs> bon, j'ai un peu passé un petit bout de temps. C'est quoi ce bout de temps que tu as passé c'est depuis 2018 que j'ai commencé. C'est avant-hier 2018. Voilà, avant-hier. <laughs> Et avec tout ce talent, avec tout ce que tu as là de lourd, c'est en 2018 que tu as commencé Clairement, clairement. Qu'est-ce qui t'a amené dans la musique Dis-moi, on ne se cache pas les choses ici. Bon, vraiment. Les gens doivent savoir, en fait, tout. Clairement, clairement. Bon, ah. moi, vraiment, depuis le bas âge, je suis inspiré par la musique, par certains artistes. Déjà, c'était le temps des sections d'assaut, c'est le groupe français. ceux C'est eux qui m'ont un peu inspiré. J'aime balader, allez euh, balader. J'aime balader, allez balader. J'aime balader sur le vide de Kalangu. <laughs> Ouais. on aime se balader à Kalangu. Ouais, bien sûr. Alors, partant déjà de ça, tu as kiffé donc le rap, tu écoutais la musique euh, d'ici et d'ailleurs directement plongé dedans. Donc, après un moment, je m'inspirais de. C'est que du rap que tu kiffais Ouais, c'était que du rap, mais parmi eux, il y a ceux qui font du rap, ils racontent. Ceux qui chantent. Euh, voilà, il y avait plein de styles. choses, ah, bien sûr. Voilà. beaucoup de styles. Ah. Avec le temps. C'est quand même. Euh, voilà, voilà. éléments. Clairement. Alors, on va parler, bien évidemment, euh, euh, déjà euh, de ta toute première sortie parce que c'est important. tu m'as dit déjà que c'est en 2018 que tu as commencé. Clairement. Alors, 2018, tu as commencé par quoi Par interpréter la musique ou bien Ouais, j'avais commencé avec un petit freestyle appelé Niamey City. Niamey City Ouais, voilà. Après, j'ai enchaîné avec un autre, Garder Espoir. Vraiment là, c'était. On va parler de tout ça dans un deuxième angle, ok, d'accord. Ok, ok. Elsa, c'est quoi ton genre musical C'est que du rap ou tu chose Bon, moi je recommande, hein. je m'adapte à tout genre de style, je rappe, euh, je recommande avec les styles. Je, suis la tendance au fait. Quand on est sur la phobie, je <laughs> fais. Demain, je vais frapper la drill aussi. Moi, je laisse pas. Eh. Même le reggae, je fais. Mais ça reggae. Tu vas bien, Bah oui. <laughs> <laughs> ah eh, j'aime bien ce garçon au fait, bien sûr, parce qu'il le faut. Et eh, tu es sûr de toi Bien sûr. Ah ouais, tu es sûr de toi, parce que au fait, la modestie, c'est pour les faibles. Quand tu es bon, il faut le dire. Claire, Exemple, tu vois, moi en animation, je suis très bon. quoi. La machine. Ouais, je suis parmi les humains. <laughs> Alors Elsa, on va bien évidemment parler de tes relations avec les autres artistes Parce qu'on t'a connu aussi au sein d'une formation. Bien tu as commencé seul, ok, d'accord. Après, moi, j'étais euh, quand même euh, croisé en moutre plus avec euh, la formation du génération. Ouais. Parlons du génération. Ils sont où, les gars Ouais, New Generation sont là, ils se portent bien. Vraiment, c'est un projet déjà qu'on s'est dit de faire d'un album. C'est vrai, on a fait l'album, l'album est déjà là. Mhm. Donc, il y a des situations il y a mon pro Amdi Malam qui avait voyagé. Donc il est, parti. Peut-être après, on va faire sortir le truc. quoi. Parce qu'il y avait le Covid qui nous a un peu bloqué avec le temps. Donc c'est ce qui nous a pas permis vraiment de faire sortir le projet. Mais peut-être avec le temps, on va voir ce que ça va donner. Tout Pourquoi pas. Ouais. Donc, Nico, big up la formation New Ici Elsa avec la machine dans le studio Kalangu. Tu as rencontré des difficultés dans la vie artistique de 2018 à 2021 <laughs> Ouais, clair. Ça, quoi, ça, les manque ça manque pas. C'est quoi On t'a mis des bâtons dans les roues C'est quoi depuis que tu rencontré Les bâtons dans les roues, ça finit pas toujours. <laughs> c'est quoi donc Raconte-moi quelques difficultés sur cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin de la ouais, Ouais, ouais, ouais, le Big bon En fait, le truc, c'est que de, de, de, de, tout début, si tu veux embrasser la musique, vraiment, il te faut beaucoup de choses à apprendre et tout. Ce, qui, qui a fait que j'ai galéré, c'est souvent même. J'ai envie de partir, rester. Moi, j'étais prêt même à payer. Les, les scènes, même, il n'y avait pas pour, avoir la scène. Clairement, pour avoir la scène. Mais aujourd'hui, je peux dire Dieu merci. Euh, ça paye. Il y bien sûr. Aujourd'hui, quand tu m'appelles tant qu'il n'y a pas le cachet comme ça, je viens pas. Tu viens pas. Je viens pas. Parce que la veste, c'est le il Les verres, c'est les La <laughs> montre, elle fait lourd. Parce que je porte la même chose que toi. Je sais combien tu as fait ta veste. Non, c'est comme ça. Hein. Yes, Le bruit. <laughs> Alors, <laughs> Elsa. Nous sommes à la fin. Ok, ok. De cette première partie consacrée à la jeunesse nigérienne. Ouais. Eh, L'instant est solennel. Est-ce que tu as un message à l'endroit de toute la jeunesse nigérienne, la jeunesse mondiale qui kiffe cette émission Merci. Voilà, voilà, toute la jeunesse mondiale d'abord. Je vais me faire un peu de promo. Allez-y vous abonnez sur ma page euh, Instagram, Facebook, euh, ma chaîne YouTube. Allez-y vous abonnez parce qu'il y a gros trucs qui arrivent là, gros comme ça là, parce que ça va faire pas donc, euh, captez-vous, captez-vous, soyez là, focus. Le clip arrive, des clips, des clips, des projets, des projets. Donc, faites la promo de la musique nigérienne. Faites la promo de la musique nigérienne parce qu'il faut consommer le local. Nous, ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on n'a pas du boulot, c'est pas parce qu'on a quitté quitter les bancs ou bien quelque chose comme ça. On fait ça pour le pays. C'est la passion, c'est pour vous, c'est pour nous, on le fait, c'est pour tout le monde. Parce que quand la génération future sera là, ils vont se dire Ah, nos grands là, ils ont vraiment bossé pour nous et puis les choses seront faciles pour eux. Ce que j'ai à, vous dire vraiment, c'est que le mind là, le mental, que ça change. On est là pour le Niger. Faisons avancer le pays tous. C'est ensemble on peut le faire. Nous seuls on ne peut pas le faire. À nous Wanki, une seule main ça peut pas faire les donc, voyez vous-même. Apprendre, c'est comprendre. <laughs> Consommons ce que nous produisons. C'est ce qu'Elsa veut dire à la fin de l'émission. Et la page officielle, c'est Elsa. Elsa officielle, Elsa Instagram, Facebook, YouTube, Elsa officielle, Et puis il y a mon clip là-bas qui est déjà officiel. Partez, partez, partez vraiment écoutez. C'est déjà 2000 vues, plus de 2000 vues si je peux le dire. Tu peux montrer la montre, nous sommes à la fin de l'émission. Skull. Skull. hey. <laughs> Sois béni. Hey. La machine.